Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus encore à notre sondage des un moment important où le Seigneur, ensemble, décide de nous réunir afin que nous puissions ensemble étudier sa parole. Je nous sommes si contents parce que le Seigneur encore a préparé de belles choses pour nous donner dans cette étude. Je sais que le Seigneur nous bénira aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te glorifions, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as donnée, afin qu'ensemble, nous puissions étudier ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous conduis dans cette étude, qu'à la fin, Seigneur, ton nom sera glorifié au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Par la grâce d'aujourd'hui, nous allons avoir notre standard de discussion. La semaine passée, nous avons vu une autre étude qui était intitulée sur sur l'idolâtrie ou bien la débauche d'Israël et le zèle de Finé. Donc, en ce thème, nous avons vu dans Nombre chapitre 25, trois leçons. La première leçon était, la leçon explique comment le, la compromission d'Israël a conduit, bien a conduit, l'a conduit au jugement divin et comment le zèle de Fini l'a gagné une recommandation et une alliance de paix. Deuxième leçon, on a vu que quoi Les dirigeants sont invités ou bien sont aussi à éviter ce qu'on appelle la compromission et aussi doivent réprimander en prêchant dans la maison de Dieu et défendre aussi quoi la volonté de Dieu en honorant avec passion. Troisième leçon, on que quoi Il y a une grande conséquence certaine qui va s'abattre sur les impies, sur les pécheurs, comme cela s'est arrivé aussi dans le chapitre 26 où les 24 000 personnes sont mortes cause du péché. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans le chapitre 26 de notre de nombre. Le chapitre 26 de nombre. Et on verra exactement aussi ce que le Seigneur aussi a donné concernant la vie des enfants d'Israël. Et sans cela qu'on verra le Seigneur aussi a dit concernant quoi Le dénombrement de la nouvelle génération d'Israël. Le dénombrement de la, le dénombrement de la nouvelle génération d'Israël. Et on verra comment le Seigneur aussi a voulu qu'il y ait une, un dénombrement. Donc en ce jour-ci, nous voyons, on va lire le livre de Nombre chapitre euh, 26 à partir du verset 1. De toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 25 ans au-dessus, selon leurs maisons et de leurs pères, des Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, et dire Verset 4 On fera le nombrement depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Verset 5 Ruben, premier d'Israël, le fils de Ruben, Enoch qui descendit de la famille des euh, Enochites, Palu qui, de qui descend, descend la famille des euh, Palutes. Vous voyez ici, s'ils sont en train de faire quoi Donner, ils sont en train de donner comment le changement devait se manifester dans la maison ou bien devait se faire. Et c'est exactement cela que le Seigneur montre comment ce recensement devait se faire. Alors, on voit que quoi Aujourd'hui, cette étude pointe quoi à l'importance de l'écriture et c'est pertinent. Vraiment, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, le récit, comme on voit aussi, comme le Seigneur lui-même a, lui a dit dans si on regarde dans Nombre chapitre, euh, plutôt dans le livre de 2 Timothée, dans le livre de 2 Timothée chapitre, euh, euh chapitre 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, euh, en lisant le verset 16, en lisant le verset 16, on voit aussi que le Seigneur a donné un bien une recommandation. Alors, cette recommandation disait que dans dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà ce que le Seigneur a dit dans, dans ce verset-là. Donc, il y avait quelque chose que le Seigneur voulait que les enfants de Dieu fassent. En regardant les enfants de Jacob, ces enfants de Jacob étaient instruits et Dieu a voulu qu'ils fassent. Et ceux qui sont grandis et arrivés dans le pays de Cana, le Seigneur voulait qu'ils fassent un dénombrement. Souvenez-vous, il y a ici, il y a eu aussi un dénombrement dans le nombre chapitre 1. Donc on voit que quoi Le récit du, euh, recensement, quand on, quand on parle de recensement, on parle aussi de dénombrement. Si nous voyons comment le Seigneur a voulu souligner, donc on oh, le recensement effectué avant l'entrée de la terre promise. C'est comme quoi un rappel des deux inscriptions, de l'inclusion de deux plans. Il souligne le besoin pour la patience, la foi et l'obéissance afin d'hériter les promesses de Dieu. Le texte aussi nous fait quoi Ce texte, c'est-à-dire le livre de Nombre chapitre 26, nous encourage, nous comme nous les croyants, rester ferme dans notre foi, malgré les essais, malgré les difficultés, malgré attendre et espérer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Donc, comme je, comme je viens de le dire, nous considérons aujourd'hui le thème euh, le dénombrement de la nouvelle génération d'Israël. Donc, on va considérer trois points dans cette euh, étude Hmm? trois points dans cette étude. Et le premier point sera considéré comme euh, l'ordre sur le dénombrement du peuple. L'ordre, c'est-à-dire le commandement, l'ordre et son but. Pourquoi Dieu a donc ordonné qu'il y ait quoi Le dénombrement. Point numéro 1. On va voir l'ordre sur le dénombrement du peuple. L'ordre sur le dénombrement du peuple. Donc, en ce que nous regardons dans Nombre chapitre 26, comme je viens de dire, Nombre chapitre 26, à partir du verset 1, la Bible dit à la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à fils du sacrificateur Aaron, Fais de de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 25 ans et au-dessus selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Moïse et le sacrificateur Eliezer leur parlaient dans les mains, dans les plaines des Moab, près du Jourdain, vis-à-vis du de Jéricho. Et alors ici nous voyons que dans le premier recensement, Dieu a ordonné à Moïse de prendre le nombre des enfants d'Israël avec des instructions spécifiques après leur délivrance d'Égypte. Dans Nombre chapitre 1. Alors, Moïse a fait ce qui lui avait été commandé, c'est-à-dire instruit, ordonné. Donc on voit ici quoi Il est important que les ministres de Dieu, que les enfants de Dieu, que les pasteurs, que les leaders, les ministres et les membres de la famille, de la foi, écoutent diligemment le Seigneur et l'écoutent. Écoute vraiment le Seigneur. Donc, Dieu poursuivit après, euh, Dieu, Dieu pourrait avoir ou bien avoir de nouvelles instructions pour mener bien ou bien mener à bien quoi les mêmes activités que nous avions faites dans le passé. la prudence et l'humilité sont les vertus indispensables. Donc, nous nous souvenons comment Moïse a eu raison lorsqu'il a reçu l'ordre de frapper le rocher et que l'eau sortirait pour les enfants d'Israël mais il n'a pas prêté attention aux détails de la deuxième fois. Vous voyez, non Vraiment important. Donc Dieu était mécontent de lui, selon Nombre chapitre 20, le verset 8 à 12. Donc nous devons tenir compte de ses instructions si nous voulons vraiment accomplir son plan et son but pour nos vies. Nous devons d'autant plus que nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons importés loin d'elle. Donc il n'y a plus de place pour la volonté propre de Dieu dans notre vie. Donc nous obéissons à ses ordres et, euh, commandons quoi à ceux qui sont à nos ordres de faire. Nous devons seulement ce que le Seigneur nous demande à faire. Donc dans le cas de David, dans le deuxième euh, Samuel, dans le second Samuel, il a été provoqué il a été provoqué à faire ce que Dieu n'a pas commandé. Malgré les supplications du, cap, euh, du capitaine proche de lui renoncer à ce que le Seigneur n'avait pas ordonné, il ignora leurs supplications, les rejeta et recorta plus tard quoi les fruits amers de sa propre volonté. Donc si les dirigeants décident ou bien désirent les bénédictions du peuple de Dieu, qu'ils dirigent ils doivent diriger vraiment ce peuple-là qu'ils vraiment ils veulent récolter des fruits euh, de, de, leur bénédiction du peuple qu'ils dirigent. Donc ils doivent écouter quoi Les chefs de berger, qui le chef du berger, et cesser d'imposer leurs plans et programmes volontaires au peuple. Bien qu'il semble que Moïse et Eliezer n'aient pas été informés du but du recensement dès le début, ils ont obéi au Seigneur et ils ont fait le, de, de, le du nombrement selon sa parole. Donc par la suite, Dieu a révélé la raison. C'est ça, non Seulement obéir, obéissez seulement. obéissez seulement. Donc, le comptage était basé sur les unités familiales des douze tribus pour s'assurer que quoi Chaque famille était représentée. Donc ainsi, chaque unité familiale est mentionné ici, y compris la famille de quoi De, Chol, euh, de euh, qui n'avait pas de fils, mais cinq filles. Donc, leurs noms ont été mentionnés ainsi que la fille d'Azer. Donc, Sarah ou Sarah avait le nom de la mère de Moïse, c'est-à-dire Jochebed et même sa fille. Donc, Myriam ou bien Marie donc cette mention semble significative, même si les fils doivent être comptés et ont été comptés, les noms de ces filles et mères dignes ont été mentionnés. Donc cette particularité, sujet où Dieu nous place l'indépendance entre sexes. Donc il est le Dieu des hommes et des femmes. Le chapitre suivant atteste de la quoi de la, de la, de la disposition de Dieu à l'égard de la sensibilité aux gens alors qu'il répond à la demande des fils ou bien des filles de quoi Des cellophates. Donc ici, donc en regardant ceci, nous voyons que quoi Si on nous posait cette question de répondre ou bien une question nous, nous sert vraiment, on peut se poser cette question. de l'étude de la Bible avec respect. Parce que la Bible nous dit quoi Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que quoi Que toute écriture donc, en regardant, on voit quoi les, Le comptage a été fait. le premier né Ruben. Donc, pour les fils de Jacob, le premier né était Ruben. Le deuxième né, c'est Simeon. Troisième, c'est Lévi. Quatrième, Judas. Cinquième, Issachar. Sixième, euh, Zabulon. Septième enfant, c'était Dan. 8. Naphtali, Gad 9e, 10e, Asher, 11e, Joseph et 12e, c'était Benjamin. Souvenez-vous que Joseph et Benjamin sont des mêmes mères. Maintenant, quand on parle des, tribus, nous avons la tribu de Simeon, c'est-à-dire les Simeonites. Nous avons les Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, la tribu de Benjamin, la tribu de Dan, de Naphtali, de Gad, d'Acher, d'Ephraïm, ou bien d'Ephraïm, et de Manassé. Ce sont les tribus, ça. Et ils sont aussi au nombre de 12. Donc, et c'est ceux qui ont formé quoi Cette, euh, cette tribu, ces deux tribus. Vous voyez, non Donc, si on parle, quelles sont les différences entre le premier et le deuxième commandement de compter le peuple, eh bien c'est de faire le recensement et pour nous apprendre la façon dont Moïse a géré. Donc on parle du premier recensement, on voit que le premier recensement a eu lieu après la délivrance d'Égypte, tandis que le second a eu lieu après la plaie et avant l'entrée dans Cana et a concentré comment sur ceux coupables ou incapables à aller en guerre. Dieu voulait que trop des gens capables, mais euh, pour, pouvoir faire comment Aller faire la guerre. Et c'était le sentiment que Dieu avait demandé à Moïse et à Azer euh, de faire, et Eliazar de faire. Ils ont fait ça exactement. Donc, quand on regardait un peu la méthode de découpage des Israélites, était basée sur les unités familiales pour assurer la représentation de chacun, de chaque tribu, de chaque unité familiale était mentionné, y compris la famille de quoi Des Zélophades, qui n'avaient que cinq filles. Leur nom était mentionné ainsi que la fille d'Asser, Sarah et le nom de la mère de Moïse, Jochebed, et sa fille Myriam. Vous voyez, non Donc tous étaient vraiment mentionnés dans le partage, bien dans le, le, découpage, bien on dira dans le recensement. Vous voyez, dans ce recensement, tout a été mentionné vraiment. Et Dieu savait la raison pour il a voulu que cela se doit, cela, doit se faire. Voilà, Donc c'est pourquoi je peux poser la question que pourquoi un dirigeant, un dirigeant doit-il traiter l'œuvre du Seigneur avec prudence Pourquoi un chrétien, un enfant de Dieu, un dirigeant, un pasteur, un leader doit traiter l'œuvre de Dieu avec vraiment prudence Oui, c'est parce que ces, dirigeants doivent gérer l'œuvre du Seigneur avec prudence. Pourquoi Parce qu'ils sont responsables envers Dieu pour leurs actions et leurs décisions. S'ils ce que Dieu leur a donné comme commandement, ils traitent avec nonchalance et cela n'arrive pas à glorifier le Seigneur. Le Seigneur les demandera de ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils les a demandé de faire. Donc, et qu'appartient nous de la mention des filles et des femmes dans le recensement, Dieu a fait mention des femmes et des filles d'Asser, d'Acher qui n'avaient pas de garçons. Il a même, il mention de sa mère, le de sa mère. Cela montre que quoi Cela souligne que quoi Dieu vale et comprend tout le monde, peu importe le genre, dans son, dans son, ou bien dans ses plans, dans ses plans et ses fins. Il est le Dieu de Dieu, de Dieu, de Dieu des deux, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Donc tout, est, tout, le monde est important envers lui au nom de Jésus-Christ. Donc venons au point numéro 2. Au point numéro 2, pour voir ce que le Seigneur aussi nous a demandé. Et c'est ça les, les commentaires et les différences dans le dénombrement familial. Alors nous regardons un peu dans les différences, on voit que comment ils ont fait dans le recensement, il y avait des différences. Il y a eu des différences dans le nombrement Lorsqu'on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 10 du nombre chapitre 26, dans le nombre total d'Israël en ce deuxième découpage était de 100, de 1820, de moins que le recensement précédent. C'est-à-dire, voyons, c'était le moins que le précédent. Donc, dans Nombre chapitre euh, dans, dans, chapitre 1, à partir du verset 600, oh, 6003, 600 615 550, qui est devenu moins de 6, 611 730. dans cette diminution n'est pas conformément à la promesse et à l'alliance de Dieu pour Israël. la vérité est que quoi Les bénédictions et la croissance suivent ceux qui sont sur euh, le, chemin de l'obéissance à Dieu. Cependant, si l'on se lit au de, au de compte de chaque tribu, seules cinq tribus ont connu la diminution, c'est-à-dire la tribu de Ruben, la tribu de Simeon, la tribu de Gad, la l'attribut la tribu de Neftali. Donc en fait, la tribu de Simeon a été durement touchée avec une diminution de 37 000. Certains dit, ont suggéré qu'il n'est pas possible, qu'il n'est pas impossible que la tribu ait tant perdu à cause de la peste, puisque Zimri un prince de parmi les Simeonites qui a été tué par Finé, Donc, a pu influencer le nombre de personnes de la tribu à se livrer à la prostitution, c'est-à-dire à, la euh, l'idolâtrie. Donc le recensement des Lévites a été aussi influencé, mais pas parmi les enfants d'Israël. Pour eux, la numérotation comme a parmi de l'enfant mâle à moins de plus, dont le nombre total des Lévites était de 23 000, dont aucune comparaison ne peut être faite car il n'y a aucune trace de leur premier recensement conformément à ce que Dieu avait ordonné à Moïse dans Nombre chapitre 1, le verset 49. Donc, il y a eu une, euh, il y a eu une grande comparaison entre ces personnes. Donc, on regarde la tribu au premier recensement, la tribu de Ruben, premier recensement, dans chapitre 1, il y avait eu 46 500. Dans le deuxième recensement, dans chapitre 26, il y a eu quoi 43 730. Donc il y a eu quoi Il y a eu, vraiment euh, une diminution, une décroissance. Dans le, la tribu de Simeon, nous avons eu quoi 59 300 dans le premier recensement d'un homme chapitre 1. Dans le deuxième recensement d'un homme chapitre 26, on a eu quoi 22 200. Toujours une grande, grande, grande quoi diminution, décroissance. Dans la tribu de Gad, nous avons eu 45 650 au premier recensement. Et deuxième recensement, il y a eu quoi 40 500. Toujours quoi Une décroissance. Dans la tribu de Judas, au premier recensement, nous avons eu selon 14 600. Deuxième recensement, ils ont eu 76 500. Il y a eu une croissance. Quand même légère. Maintenant, dans les tribus Issachar on a eu 54 400 au premier recensement. Dans le deuxième recensement, ils ont eu quoi Ce sont 4 300. Une croissance. Dans les tribus de Zubelon, Zubelon, 57 400. Et il y a eu quoi 60 500. Toujours une croissance. Une croissance aussi vraiment euh, considérable. Pas négligeable. Et aussi, dans la région de Jubelon, c'est-à-dire dans la famille de Jubelon la tribu de Jubelon il y a eu aussi quoi Une grande croissance. Parce qu'en regardant un peu, on voit que quoi Jubelon euh, de Manassé, ils étaient de 32, ils ont eu de 32 millions, 32 200 et une grande quoi, euh, disons une grande croissance parce que lorsqu'ils sont venus dans Nombre chapitre 6, Nombre chapitre 6, ils ont eu quoi Ils ont eu une grande croissance qui a, les a donné un nombre de 50. 32 500. Benjamin, 34, 35 400 à 45 600. Croissance. Dan, 62 700 à 104 400. Croissance. Acer, 41 500 à 53 400. Croissance. Neftali, 53 400 à 45 400 il y a eu quoi La décroissance. Maintenant, au premier recensement, ils avaient 6300, 603 550. C'était leur nombre total. Mais à la deuxième euh, recensement, ils ont eu comment 601 730 en total. Donc, il y a eu quoi Il y a d'autres tribus qui se sont réduit et d'autres aussi ont eu quoi La croissance. dans tout cela, on voit ce que Dieu a fait. les enfants, les enfants de Dieu qui vraiment servent dans la maison de Dieu ne doivent pas devenir si familiers avec son service qu'ils mettent de côté le plan divin et le déshonorent ainsi. Donc, on doit voir que on doit continuer à servir le Seigneur dans la bonne chose. Parce que quoi Lorsque euh, euh, euh, il est aussi triste que Nadab et Abihu, deux des enfants d'Adaron, soient morts sans élever de famille. Ils, ils ne sont pas mariés. Et ça aussi devait aussi accroître quoi, le nombre de Simeon, le nombre des habitants de Simeon. pourquoi Simeon, beaucoup d'entre eux sont morts de 59 300 à 22 000. Donc, les deux là sont morts très tôt ils n'ont pas pu trouver ce mari ou bien dans les enfants. Vous cela aussi amène aussi, contribue aussi à cette perte-là. Voilà. Donc, euh, et deux des enfants d'Aaron sont morts comme ça. Sont morts comme ça. Donc, on doit se vraiment méfier de ne pas se familiariser avec les choses de la maison de Dieu. Parce que Dieu ne sera pas content de ça. Donc, on parle de cette euh, recensement euh, compter le nombre de personnes et voir combien de mains de ton personne, le nombre de femmes, l'homme des hommes, et faire ce recensement tellement important, ce que le Seigneur voulait avoir. Alors en général, pourquoi, ou bien avant que nous allons, on peut se poser même certaines questions pour voir, euh, on peut se poser certaines questions pour se demander si vraiment on sait ce que le Seigneur nous demandait ou bien ce que le Seigneur a fait dans cette partie dans ce, dans ce verset, dans cette partie, bien le point numéro 2. Le point numéro 2. Quelles sont ces questions qu'on peut se poser On peut se poser certaines questions, certaines petites questions. Donc, on voit comment les fils de Corée sont-ils échappés au jugement qui s'est abattu sur leur père et s'accompagner dans la rébellion. Vous voyez cela, non Donc on apprend que quoi Ils sont euh, abstenus depuis. Depuis quoi Rejoindre la rébellion contre Moïse ou repentir dans le temps ainsi. Distinction ou distanciation eux-mêmes depuis leur du père, le péché de leur père. Depuis là, la terre s'est ouvrie et a avalé beaucoup d'entre eux. donc beaucoup d'entre eux sont morts dans le péché. Ce qui fait que quand on a fait le nombrement, beaucoup d'entre eux, ils étaient tellement que peu. Donc vraiment, on a se méfier de la rébellion. Donc, pourquoi aussi certains croyants sont, euh, sortent-ils de la maison de la foi pour se marier Pourquoi ils abandonnent l'église Ils vont marier dans le monde. les lieu de se marier dans l'église, ils vont aller marier dans, dehors. Pourquoi C'est parce que ces personnes-là, si c'est un croyant, peuvent se marier en dehors du foyer de foi en raison de préférences personnelles, c'est il peut dire bien que en raison de d'impulsion, ou bien des raisons d'engouement, ou bien de pression depuis le monde et même la religion, les tendances de leur jour. bien, euh, les, oh, je vieillis, hein. Si mon temps passe, tout ça là comme ça là, ils donnent des raisons et ils vont et se marient dehors. C'est à cause de ces choses-là. Ils quittent et ils vont et se marient dehors. Que le Seigneur nous aide à avoir la patience et rester dans le Seigneur. C'est ce qu'il vient dans nom de Jésus. Point numéro 3, on voit le, le dénombrement et son but. Pourquoi le dénombrement et que les tests sont buts? Vous voyez non Donc, indiquez quoi Dieu a commandé à faire quelque chose, il y avait une raison qui est toujours pour notre bien. Il donne l'usage du recensement le faire. Il y avait une raison pour laquelle Dieu même avait voulu que cela se passe. Lorsque nous regardons dans Nombre, notre test, Nombre, chapitre 26, disons le verset, le verset 54. Dieu a parlé quelque chose concernant le but de ce recensement. Il dit quoi La Bible dit à ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Vous voyez ceci là, non Donc, Dieu avait voulu leur montrer qu'ils doivent, euh, enfin qu'ils sachent, d'un pour qui va, pour qu'il n'y aura pas, eu qu'il y ait d'équité. Vous voyez, non Donc, notre Dieu est omniscient. Et c'est un omniscient, c'est un Dieu omniscient d'ordre et travaille à promouvoir la paix et l'ordre dans la maison. Donc l'héritage a été partagé par la base d'aucun autre critère si ce n'est le recensement. Donc, de même, la participation à nos retraites, à nos congrès, à nos réunions de fraternité a un but, le respect des directives de nos dirigeants engendre la paix l'ordre. dont il incombe donc à chaque Église de rechercher la direction de Dieu pour promouvoir la paix et l'ordre. Donc comme le Seigneur a pris des mesures pour éviter la confusion, les dirigeants de l'Église doivent aussi être proactifs et prendre des mesures nécessaires. Les chefs de famille doivent être des initiateurs de Dieu afin de promouvoir la paix et l'ordre dans leur foyer. Donc, une autre raison importante du recensement suggéré dans les deux derniers versets est ce que Dieu parmi eux, il n'avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le pays de Sinaï, car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas aucun excepte, bien exempté de quoi Caleb, fils de Hod. Je finis et Jésus est fils de Nun. Oui, Jim Dieu avait donné une suggestion et a dit que quoi Il doit avoir quoi Une, euh, Un recensement. Et ce recensement-là, il y a une raison à faire ce recensement. Oui, il y a une raison à faire ce recensement. Donc, je dirais que le premier, euh, la première raison, c'est un recensement identifie ceux qui ont 20 25 ans et plus. Deuxièmement, et avaient compté leurs tribus. C'était pour compter les tribus. Ceux qui étaient premièrement capables d'aller en guerre et deuxièmement voir le nombre de chaque tribu. Non, ces objectifs, il y avait aussi les objectifs du recensement. Ils sont comment Premièrement, identifier ceux qui seront envoyés dans l'armée, ceux qui sont capables d'être envoyés dans l'armée. Les préparer aussi la nation aux responsabilités militaires et posséder leur quoi, héritage. Deuxièmement, identifier clairement et séparer les vrais Israélites des multitudes mélangées qui sont sorties avec eux lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Donc certaines personnes, ça que certains Égyptiens ont vu que, ont vu comment le Seigneur les avait vraiment utilisés, que Dieu avait fait des miracles produits parmi eux, comment les Dieu a sauvés. Ils ont voulu quitter l'Égypte pour les suivre, quand même ils n'étaient pas des Israélites. Donc ils voulaient voir les vrais Israélites, les vrais enfants, les vrais enfants. Donc on voit que c'était aussi pour assurer une bonne distribution de l'héritage et le bénéfice de la terre promise. Le point numéro 2 aussi, on voit quoi On voit le dénombrement visait à s'assurer que le nombre de personnes dans chaque tribu était donné afin qu'il y ait quoi Qu'il y ait d'équité et l'ordre dans le partage de l'héritage. Donc c'était aussi ça aussi pour qu'il y ait quoi L'équité, pour qu'il n'y ait pas de tricherie pour que les, leurs dons, bien leur euh, partage soit fait d'une manière nombre et honorée et sans la raison pour laquelle ils, devaient vraiment avoir cette, euh, ce partage. Et aussi, enfin, Dieu a utilisé quoi L'exercice du dénombrement pour avertir la génération d'Israël du danger de l'incrédulité, des mesures et de la désobéissance qui ont empêché l'ancienne génération d'atteindre quoi La terre promise. Vous voyez cela, non Donc, et enfin le dénombrement de la nouvelle génération d'Israël et le partage de l'héritage et les bienfaits de Cana dans toutes les tribus devaient prouver quoi La fidélité de Dieu. Ce que Dieu avait demandé, ce que Dieu avait promis, il le fera. Et nous devons croire que le Seigneur, tout ce qu'il dira, il le fera au nom de Jésus-Christ. Donc quand il comptera ceux qui entreront le ciel, pouvons-nous tous être comptés parmi eux La raison qu'on doit se poser, est-ce qu'on sera parmi ceux que le Seigneur posera, les gens que le Seigneur comptera le dernier jour Si on se pose cette question, comment les croyants devaient-ils répondre commandement de Dieu dans les Écritures, même lorsque la raison de l'obéissance n'est pas clairement pour eux. Comment ils doivent répondre Les croyants sont appelés à, à la confiance dans, dans Dieu, sagesse, bien dans, dans Dieu, bien la sagesse de Dieu, et suivre son instruction fidèlement comme euh, connaissance et bien dans sa connaissance que sont des plans sont vraiment finalement pour notre bien. Ça, dans tout ce que nous faisons, c'est bien. Et on doit toujours continuer à suivre le Seigneur jusqu'à quoi que ce soit, car à la fin le Seigneur sera glorifié. Dans le chapitre ici, se termine par une vérité qui donne à réfléchir un accomplissement de ce que Dieu avait dit. La grande exclusion arrive. La le grand jour arrive. Mais la bonne nouvelle, c'est que quoi Chacun d'entre nous peut faire partie de la grande inclusion, c'est-à-dire l'enlèvement le, l'enlèvement et le ciel. Que le Seigneur nous aide. Quand, sera, quand le Seigneur viendra, on, sera, on fera partie du dénombrement au nom de Jésus. Ce que le Seigneur choisira pour aller au ciel, nous y serons, nous serons parmi eux au nom de Jésus. Quel que soit quoi qu'il nous empêche que ce soit qu'il arrive, nous serons partir, on sera fait partie du dénombrement des nations célestes pour aller en grâce du Seigneur au ciel au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur aide. La question est que quoi Est-ce que tu es prêt quand le Seigneur viendra pour faire son recensement Quand le Seigneur viendra pour amener ses enfants au ciel, seras-tu parmi eux Seras-tu parmi le recensement Seras-tu prêt pour être recensé Seras-tu prêt pour être pris pour aller au ciel Seras-tu prêt pour être accepté dans le royaume de Dieu C'est ça la question que doit se poser. Prions. Père, te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous savons que Seigneur, tu nous aimes tant. Nous prions Seigneur que tu nous guides. Parce que tout ce que tu nous enseignes, Seigneur, nous puissions obéir à ta parole lorsque cette vient au nom de Jésus-Christ. Notre prière, c'est que tu nous guides et donne la grâce toujours à pouvoir obéir à ta parole lorsqu'elle vient au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.